Nous euh, déglu Ablaye Il faut voter et ne pas se prendre après. Si quelqu'un est mécontent, c'est le moment de l'exprimer. Si quelqu'un est content, c'est le moment de l'exprimer. Et les résultats nous donnent un baromètre de ceux qui sont satisfaits de la politique du gouvernement ou de ceux qui sont contre la politique du gouvernement, ceux qui ne votent pas étant des citoyens qui ne semblent pas s'intéresser à la vie politique. C'est une erreur. Alors, je rends grâce à Dieu se devenu encore une fois voter à ce centre de proche. Euh, Madame la Présidente a perdu sa carte, elle l'avait hier, elle l'a égarée dans et mais elles sont tellement reçues Cela dit, je salue le les membres de la coalition de la journée et dont le but est de mettre l'alternance de l'alternance, c'est-à-dire la compétition pour toucher ce qui est là. Ahora, ahora, ahora, ahora. Bueno, tengo de temps en temps dañuy organiser élection élection nag mooy laaj ni lan la ñu bëgg Senghor woote pour ñu tànn ñi nga xam ne candidat yi yëpp dañu ay candidat lañu dana comité bi bu ko defee boo ñëwee nga seet ci nga bëgg nga jël nga seet ci nga enveloppe sànni loolu pare nag ñu wàññi ko ñu xam lan la réew mi bëgg li ma waxee moo di teg ci wone ni ma fi ñëwee nii Parce que vous ne pouvez pas faire une réunion, you. Aku kena cakap, aku ne pouvez pas faire une réunion. jour sur le jour yàq liggéey ku nekk war ngaa jóg nga bàyyi ko woote bi mënoo ko na ko waaye mel na ko bokkuloo ci réew mi ñu mel na ku dem benn film xaw ma nu ñu koy waxee si na bokkoo ci loolu baaxul mu wote surtout les jeunes seen avenir ngeen di wote seen avenir ngeen di wote bu leen sànnee carte rek

Je pense qu'elle va le retrouver et venir dans un instant. Monsieur Mais c'est la vie. C'est la vie politique. Hein. Moi, une fois, on a proclamé les résultats. J'étais dans les locaux de la gendarmerie. Hein. Ça ne m'a pas empêché de devenir président de la République. Et c'est là-bas que j'ai appris. On a voté. Le dimanche soir, on m'a mis en prison. Le jeudi, j'ai entendu les résultats qui étaient fabriqués ça m'a empêché de devenir président de la République. Ça, ce sont des péripéties qui arrivent dans la vie politique. Seulement cette fois-ci, ça se présente d'une façon différente. Parce qu'on met un innocent en prison. Vous l'avez dit depuis le départ. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Mettre quelqu'un en prison pour l'empêcher de se présenter, moi je n'ai jamais vu ça dans le monde. Où on a une dictature, on vous prend, on vous met en prison, etc. Ou on est dans une démocratie et il faut respecter les règles. Or, les règles de la démocratie ne sont pas respectées actuellement. Je ne sais pas, je ne sais pas si les prisonniers, les, présumés euh, coupables, je ne dis pas les coupables, ils sont condamnés les privés du droit euh, directeur par la loi, c'est quelqu'un qui est en prévention, qui est supposé être innocent avant la preuve de sa culpabilité devrait pouvoir voter. Donc vous avez tout Karim, il est, il est Il est à ce milieu. kooku ngeen doon dégg di président Abdoulaye Wade ginnaaw bi mu voté ba noppi ñuy jaajëfal Fatima mi ñu taataanal ay kàddoom mm-hmm. Abdoulaye Wade Ngoné dégg nañ ko euh, xam nga rek moom moom humour